papa yi parce que Sénégal vous êtes là lay waxal wakal. ci ñu waxal parce que dañuy wax Sénégal les gens du troisième âge sont toujours avec le pouvoir Voilà, majoritairement heureusement qu'ils font 5% de l'électorat Quand dañuy wax ni ñoom ils dañoo ragal changement les gens du troisième âge dañ naan le ragal changement li ci ëpp dañ naan ah goné yi ndax wóor nañu ñum dal li ñu xam ba pare wala changer ci jëm ci lo xamul je veux leur lancer un message waxuma ñi fi tok de ñi fi tok mom xamna ñom c'est de grands patriotes ils sont déjà acquis je veux leur lancer un message ngir yalla yeureum len seni dom ak seni seut. parce que li ngay ragal ñu changer ko su baxone sax ñu ne waw. Way musiba bi fi nek nek fi depuis l'indépendance jusqu'à présent kenn ku ne ci yéen les gens de troisième âge yaa ngi yor sa dom sa kër ay dom ak ay seut yo xamné ne nañ ba paré tok di la xol suba ak ngoon kenn ku ne ci ñom boo moytul am nga sa ben doom wala sa sët wala sa jarbat bo xam ne labna ci océan bi wala dee ci désert bi parce que dafa bëggona a dem tugal cette fibre là paternelle cette fibre maternelle lim leen wara je commander recommande, cette jeunesse que vous voyez devant vous cette jeunesse consciente et patriotique cette jeunesse qui veut d'un changement radical et systémique da ngeen leen wara accompagner pour une fois donc les gens du troisième âge, n'aient pas peur de nous. N'aie pas peur de nous. N'aie pas peur de nous. Parce que <laughs> n'est pas. Waouh. Wow. <laughs> Nous sommes engagés avec vous, Ousmane Sonko. Nous sommes avec vous, monsieur Ousmane Sonko. Inch'Allah vous serez le troisième, le cinquième président de la du Merci, merci, merci, merci, merci, merci, Je disais simplement, je remercie ce papa. Mais pourquoi je termine par ça Je dis, n'ayez pas peur de nous, les gens du troisième âge. N'ayez pas peur de nous. Vous n'avez pas à avoir peur de cette jeunesse parce que nous incarnons les valeurs auxquelles vous croyez. Nous incarnons les valeurs que vous nous avez inculquées. La vertu, la dignité, la droiture, la compétence. Ndjoum, Ngor, Djom, Fit, Foule. Nous incarnons ces valeurs-là. Donc n'ayez pas peur de nous. Suivez pour une fois vos enfants et vos petits-enfants et vous n'aurez pas à le regretter parce que ce n'est pas pour vous vous aurez la satisfaction d'assister au moins au changement qualitatif qui permettra à vos enfants de s'épanouir je vous remercie